commençons d'abord par du puisqu'on avait un peu évoqué un tout petit peu hier sur l'émission et bien sûr Franco Aoussa mhm. comment est-ce que tu as commencé avec tes frères pour lui c'était quoi prélude, c'était euh, ben, c'est comme dire qu'on commençait quoi. Bien sûr. Donc avec Djoudi. Ok. Et euh, un album de 8 titres, c'était je crois, oui. Un album de 8 titres. De 8 titres sortis. Vous avez fait le vernissage au palais du 29 juillet. Un album de 8 titres. Après, il y a eu dislocation du groupe, divergence idéologique. Mm Kamika s'est retrouvé seul. C'est de ces œuvres qu'on va parler aujourd'hui sur cette émission. Et Damasite <laughs> Commençons par Dans ma oui. On peut l'avoir euh, un tout petit peu sur l'émission ben ouais, dans ma cité, il y en a de trop qui rappent, il y a moins de rappeurs. Man, il y en a qui font. Pour, faire, et dans ma cité. C'était quoi Il y en a de trop qui font. C'était quoi En fait, expliquez-moi un peu le concept. Ben, c'est pour un peu euh, dire. En euh, fait, à l'époque, tu vois, euh, il y avait pas mal, c'est comme aujourd'hui, hein, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, en fait, c'est je suis king, je suis king. À l'époque, c'était je suis le meilleur, je suis le meilleur. En fait, c'est les meilleurs d'hier, aujourd'hui les kings. Quoi. Oh, donc, du coup, dans ma cité, il y a ben, tous qui disent qu'ils Qui, qui, qui, sont euh, meilleurs alors que. Euh, beaucoup pensent que leur rap en fait n'était pas du, rap du tout. Ah, donc, je traduis toujours les pensées des gens dans mes sons. Donc, Bien sûr, euh, parce que tu es aux côtés de la masse populaire. Ça, voilà. Et en dehors de ma City, mhm. qu'est-ce qui est arrivé après City Après City, j'ai sorti un premier album. Un premier album Machallah. Intitulé Intitulé Machallah. Machallah. Ok, d'accord. Super. Un album de comédie de 12 titres. 12 euh, titres. Est-ce qu'on peut avoir quelques extraits, quelques trucs qui ont marché Ouais on ne fait pas semblant de me m'humilier. Il faut se faire semblant d'avoir Si ne fait pas semblant, ne me faut pas garder dans dos. faut choisir ton camp, on ne te redonnait pas le temps, L'hypocrisie, le malin, c'est mes par Babylone, Babylone. Dis-moi, moi, ben, quand il t'assaille. <laughs> Machallah, on a eu dans ma cité. Mhm. On a eu, euh, comment ce qu'on appelle à l'instant T, euh, euh, n'est-ce pas, ne me fait pas semblant. Le savez-vous mhm. Parlons un peu de ça. Qui t'a dit que le rap ben, c'était. Euh, c'était une réponse à quoi Oui, c'était euh, une, réponse, tu vois, à un journal qui avait écrit euh, que, le rap était mort, que le rap nigérien était mort. C'était quoi le journal cité. J'ai oublié, c'était quelque chose star. <laughs> Donc, il disait que le rap nigérien était mort. Ils avaient cité pas mal de groupes, en fait, de vos vivants, vous étiez en vie. On était en vie et le gars, il dit, le rap nigérien était mort, tu vois, ils ont parlé de la Kalkanei, de Kaden Gastia, de Rudy, Kamikaze, tout le monde. Ah, ok. Le rap nigérien mort. Je dis, mort. Nous, en vie, le rap, le mort. pas tant il y aura des rappeurs, il y aura du rap. Bien sûr. Quel titre t'as marqué dans Machallah, toi, euh, On en a plus à dire. On en a plus à dire oui. C'était pour parler à qui ben, C'était pour euh, une réponse, en fait, que je posais avec. Euh, député Un ministre Non, Le président de la République Non, non, c'était un Français euh, qui, euh, au Stéphane, que j'avais rencontré au CFN, donc, euh, qui essaie de faire la comparaison entre le rap nigérien, africain et le rap français. Ah, ah, ah, et je lui disais que, vu que le rap, en fait, quelque part, tu vois, est, une musique de lutte, est une musique de, dénonciation, voilà, tu vois, une musique de, combat, quoi, tu vois, un peu. Je lui disais que, ce, ce hip-hop-là revenait légitimement, en fait, aux Africains, quoi. Parce que nous, euh, ce, que nous, ce, que vivons jusqu'aujourd'hui, tu vois, un comme difficulté, les Français ne le vivent pas. Quoi. Tout à fait. Tu vois, aujourd'hui, euh, le, SMIC en France te fait dans les 1600 euros, je crois, ça a changé. dans le temps, c'était 1200 euros. Ah, donc, dans les 800 000, 1600 euros, aujourd'hui, à plus d'un million de francs CFA, ah. c'est le plus petit salaire en France. Et nous, c'est. Nous, c'est 36 000, je crois. 36 000, <laughs> Regarde. nous, on n'a plus à dire. On a plus à dire. franchement, il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de comparaison. Je dis que leur ghetto, c'est notre tombeau. Leur galère là, nous là, c'est l'enfer ici. On peut, le faire, on peut le faire un peu sur hein? l'émission parce que c'est un thème du genre. Eh, savez-vous si <laughs> on en a plus à dire Qu'est-ce qu'ils disent eux, Miha? Hein? Qu'est-ce qui les fait souffrir Avantageux sur nous, leur vie et la nôtre, c'est pas pareil. Ok Kaziman. avant un tout petit peu avancé. Parce que le temps nous, sommes pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée aux œuvres artistiques de Kamikaze yeah, yeah. Eh, ça fait le tour du monde qui <laughs> à chanter Des politiciens, tu sais, euh, à chaque euh, élection, j'avais constaté que euh, part de nous les c'est dans les villes, ils financent, ils viennent, ils nous montrent qu'ils nous aiment, tu vois, un peu, non, qu'il n'y a pas comme nous, tu vois. Et une fois aux affaires, bon ben. On oublie on nous matraque, on nous empêche de parler. Euh... Casliman, on a compris tout ça sous cette émission. On espère aussi que le message que l'artiste est en train de véhiculer, disons, l'intello est en train de véhiculer, ne rentre pas dans l'oreille du son. Yes. encore Ah, encore oui, c'est quoi le concept là Parce qu'à un moment donné, Kamika s'est éclipsé Il ben, revient pour dire que c'est maintenant qu'on commence. Quelqu'un t'a attaqué pour te dire que tu es mort ou tu es en retraite ben, Soyons clairs sur l'émission, c'est Oui, justement, c'était pas une attaque, c'était pas euh, un clash, non. C'était, euh, euh, je sais pas, des, affirmations, peut-être des inquiétudes à des moments. Donc des gens se demandaient, mais Kav il a arrêté ou quoi Donc en réponse, je dis que non, non, nous le rap, Anzouman et Moukafara. Et Anzouman et Moukafara, en fait, va dans deux sens. Un, dans le sens de dire que non, nous, on est là. Dans le second sens, en fait, pour dire que euh, qu'on est toujours des apprentis. On ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes comme <laughs> Un projet d'album. Un projet d'album sera Inch'Allah, le 26 mars au Palais Parlons de cela, Kamikaze Liman. L'instant est tout simplement solennel. Ladies and gentlemen, l'artiste Liman s'exprime. Les projets sont, multiples, sincèrement, euh, comme, euh, comme on vient de le dire à Moukafara. Donc, euh, on a des projets avec les, jeunes frères, on a des projets en fait en termes de studio, on a des projets, même moi personnellement, donc me concernant, il y a des projets, les projets, pur et tant qu'il y aura de la vie, il y aura des projets, quoi. En tout cas, je l'espère. Fin de vie, fin de projet. <laughs> fin de vie. fin de projet. Mais tant, que, tant, qu'on sera en vie, ben, on se battra pour, euh, pour des projets en tout cas. Euh, Point. Tant qu'il y a espoir, il y aura toujours Kamikaze, Liman, pour continuer ce qu'il a commencé. Nous sommes à la fin de cette rubrique consacrée à l'art et ce qu'il le Authentique à l'Ibissi on espère qu'on va te retrouver dans les jours à venir pour qu'on puisse parler du 26 parce que Kamikaze Liman en vaut le coup. Sur ce, machine terroriste et and finish. <laughs>